Ils étaient une centaine de personnes, paysans, acteurs de la société civile, éleveurs, cultivateurs, à répondre à l'invitation de l'association Droit à l'alimentation à travers Alternative Espace Citoyen pour suivre la conférence. Après l'exposé de M. Amadou Zakari Omar, membre du secrétariat permanent de la gestion des catastrophes, qui montre clairement que la situation alimentaire est alarmante cette année dans la région de Dosso, le coordonnateur régional de l'association Droit à l'alimentation a donné la parole à l'assistant qui a parlé de la vente des céréales à prix modéré et l'accès au point d'eau pour les éleveurs. Cette femme, elle, réclame un lopin de terre pour pouvoir cultiver et nourrir sa famille. Dans la région de Dosso en général, à Loga en particulier, les femmes n'ont pas droit à la terre. Il faut d'abord avoir un lopin de terre pour pouvoir cultiver et avoir de quoi manger. Selon moi, au lieu que l'État achète des sacs pour vendre à bas prix ou distribuer gratuitement, vaut mieux aider les cultivateurs en entrant agricole. Pour M. Ibrahim Djori, coordinateur national de cette association, la riposte de l'État est malheureusement annihilée par une corruption tout au long de la chaîne estiment certains participants. J'ai entendu certains dénoncer l'attitude du pouvoir public central. En dehors des petites corruptions sur le terrain, il y a aussi la grande corruption centrale qui consiste à détourner une bonne partie des ressources publiques au bénéfice de l'élite politique et qui laisse les paysans sur le terrain en train de souffrir. C'est un véritable problème de fond. Et aujourd'hui, je suis satisfait des témoignages reçus, tant au niveau des acteurs de la société civile, tant au niveau des hommes que des femmes. La démocratie que je vois observer dans la salle revendiquée, exigée pas les citoyens eux-mêmes, c'est la démocratie qui leur permet de satisfaire leurs besoins élémentaires. L'association Droit à l'alimentation à travers Alternative Espace Citoyen animera dans les prochains jours ces mêmes conférences publiques dans tous les chefs-lieux des régions. Daouda Hassan depuis Dosso pour le studio Kaloum.